Euh, son Excellence le Président de la République m'a demandé cette fois-ci de remettre un lot de masques barrières au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, représenté ici par mon ami et frère euh, Mamadou Tala. Et plus précisément, il s'agit d'un million de masques barrières euh, certifiés et normalisés euh, destinés aux étudiants de nos différentes euh, universités en perspective de la reprise des cours le 1er septembre 2020. C'est un geste euh, hautement symbolique que son Excellence le Président de la République a tenu à faire à l'endroit du monde estudiantin pour que, pour que nos universités ne soient pas un taureau fertile de la propagation de, de la pandémie. J'ai également profité de cette occasion euh, pour lancer euh, la production de masques chirurgicaux. Vous venez de visiter deux machines euh, d'une capacité chacune de 1 million de masques par jour. Et les prix seront abordables à tous. ci gannaaw président joxoon nañu ndigal le ministre de l'Enseignement supérieur jox le ministre de l'Éducation nationale le ministre des transports avec le ministre de la femme Nous ñu du remettre les masques.

pour xeex mbas mi pour mu dem parce que président li ko ñor mooy wér-gu-yaramu askan bi protéger Sénégal yi ak lu jëmale Sénégal kanam kon ñu jox un million de mask yi sunu frère Mamadou Talla pour mu remettre ko étudiants yi ñu mën a tijji si jàmm mën a protéger wu ndax yàlla may leen wér-gu-yaram mën leen a musal ci mbas mi.